fi indi kon c'est pas la peine ñu leen di rappeler ne lii ku na ci ñun devoir la ci moom mu war koo defal boppam waaye mu war ay sëtën mbokk yi y'a 15 jours dama leen waxoon ne ñi fekke woon manifestation waxoon naa ne nettali woon naa ñetti nag ya li xew tey nag mooy dama am ñu mu bëgg a waxal mooy yow sénégalais bi toog sa kër naan politiciens yi dañoo bëri kaw jàppal yow sëriñ daara bi toog sa daara naan nekkul ci politique dañu juum yow ki nga xam ne yaa toog sa boutique ne sama yoon nekkul ci politique gis nga lii bi def bu sottee dootoo jàngalee alxuraan sa boutique dootu tijji te itam sa soxna du dem marché waaw waaw ma bëgg a wax sénégalais yi mooy man waxuma ak les patriotes la wax ak ñoom wax naa ko ak ñoom ci biir waye damay wax ak toutes les sénégalais Pape ala ñaan daf ñu wax ba tàyyi ne ku arti da nga arté leur est arrive kon ñun dañ la ñu won ku artuwul da nga arté ñuy seetaan ba tey li doon ram nek na ci biir ñak bi ba am fi kër suñ ko bayé mu genn nak dana ñu yaq yaq li ñu am duñ ko lan benen bi dama bëgg wax ne ñun ñëpp nañu yor jikoy soccet lutax soccet bañ na ko ngay jël dama jënd fanaanal te ki ñu amal affaire mbëtt la te mbëtt bu mattee du baax ma ki ñu amal affaire mbëtt la te mbëtt su mattee du baax wala ungu ungu ungu ungu fi may jéxalé mbokk yi dama sétan ak barki dëmb ñaari affaire yu ma tiitloo ma bëgg tiire attention sénégalais yi ñu bàyyi xel bu njëkk bi dafa am ay procès verbaux yu ñu liiral ñu bari ci sénégalais yi daal tukki na ah ça y na daal di bàyyi ndiku du loolu démb yéen ñëpp a seetaan li xew Sénégal ci guddi mooy lenn ci presse ba ñëpp presse complice boo xam ne li ñu bëgg moo toppee Sénégal

pour un seul pays pas de parti pas de religion pas même, sinon le Sénégal kenn nous ko Salam alaikum. wa rahmatullah doo dem bureau après. Hmm? salaamaaleykum. ah dégg nga euh, damay dem jënd benn sedd bi ngeen bravé pour ñëw fii. Ah, pour fësal seen naqar. ñun ñëpp xam nañ ne. Ousmane Sonko Ousmane Sonko violé wu. plaire ah, nañu ñun ñëpp xam nañ ne complot lañ def contre moom. léegi nag léegi nag ñaan waa Pastef mooy ah, ñu ngi salir. ñu ñëpp xam nañ ne lii complot la flagrant léegi nag duñ may dara dara xet yi xamul section xamul bureau xamul lii way ci ci dafa moom ba mu def loolu na ay bureau ay waxtaan ay négociation loolu jeex na rey na Karim na Khalifa Ousmane moo dese bu leen bàyyee bu jàll nag ñu topp suñ citoyenneté c'est remis en cause du jàll ñaan nag waa Pastef yëpp mooy ñoom ñëpp képp ku ma xam ne nii am na benn anecdote pour rafet ci Ousmane Sonko nga toog nga wax ko parce que ñu bëgg a yàq deram xam ne yenn yenn pseudo journaliste di waxee ci plateau télé yi waaw moom nag utiliser wul image am di yàqaay di ñaan wala mu yelwaan wala ñooñu nañ laaj honneur Ousmane Sonko avant ñu perdre face ak Macky Sall buñ ko may dara wasalaam représentant JPS chers patriotes. Je vous remercie pour votre engagement. Moi je parle au nom de la JPS, c'est-à-dire au nom de la jeunesse patriotique du Sénégal. Parce que c'est l'avenir de la jeunesse qui est en train d'être hypothéquée par des vieux qui n'ont aucun scrupule. C'est l'avenir de la jeunesse qui est en jeu. Et c'est la raison pour laquelle moi j'appelle toute la jeunesse du Sénégal à se mobiliser sur le terrain. Parce que nous le savons tous, le politiquement correct ne marche pas en Afrique, au Sénégal particulier. Macky nous a appelés dans le terrain du politiquement incorrect. Exactement. Est-ce que vous connaissez un seul opposant en Afrique qui a été sauvé par les lois Ça n'existe pas. Les lois, les textes ne servent absolument à rien en Afrique. Elles n'ont jamais sauvé un opposant en Afrique. Euh, Elles lois sont faites pour emprisonner des opposants. Et Macky a une obsession. C'est celle du c'est la raison pour laquelle il ne reculera devant rien pour atteindre son objectif. Nous aussi, nous avons un objectif. Nous avons un projet à défendre. Et nous trouverons chemin. ne nous intéresse pas. Il y a un projet à défendre. C'est le projet d'un Sénégal meilleur, d'un Sénégal juste, d'un Sénégal prospère, d'un Sénégal Badola. Nous de Bassirou Djilay Et On n'acceptera pas. On n'acceptera pas que Ousmane Sonko soit sacrifié. Ousmane Sonko représente l'espoir d'une jeunesse trahie. L'espoir d'une jeunesse trahie. L'espoir d'une jeunesse en furie. Et que, et que, il ne faut pas que nous dites-nous...

Wanted by Egan Mafiwo in this respect. SIB Ousmane Sonko est mort de décès, qui s'est instauré éternellement la dictature au Sénégal. Nous allons mettre tous les moyens parce que la violence parfois il faut le savoir elle est nécessaire pour avoir la liberté. Exact. Je vous remercie. Un discours va dans guerre, c'est comme ça. Fini le discours diplomatique. Vous savez, vous savez. Vous savez, vous savez. Vous savez, vous savez. Doral Khalabi. Doral Bali. Ana Mokuyo. Salam alaikum. Voilà l'exemple. Un exemple est là. Un combat historique. Le combat que nous menons transcende l'homme Ousmane Sonko. C'est une démocratie qui est, plus que menacée avec un glissement vers le parti unique. Je pense pas qu'on peut... Euh, que je pense pas un pays avec un parti unique s'appelle une démocratie. Et je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Oui. Ouais. ouais. Nous, basculons vers un régime totalitaire. Je n'accepte pas le fait que le Sénégal devienne un régime totalitaire. Il y a 50 ans, on s'est battu pour devenir une nation, pour devenir libre. Et et ça veut nous couper notre peuple. Millions de millions ceux qui sont morts pour cette liberté. Le Pakistan veut nous la voler aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne se passera pas. Personne ne doit l'accepter. Non. Nous sommes le dernier rempart. Nous sommes le dernier rempart de notre démocratie. Nous devons résister. La menace est grave et imminente. C'est maintenant ou jamais. Nous devons nous battre pour libérer nous allons, tout Nous allons droit au but vers toute perte de liberté avec un gouvernement sombre et tortueux. Un gouvernement de Macky Nous devons le faire tomber aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Patrick. Donnez-nous un instant, on va changer les micros. On va changer les micros. Donnez-nous un instant pour changer de micro. Nous disons non Il est temps maintenant toute cette génération de dictateurs que la France a choisi pour vous, pour ses propres intérêts. Ça suffit maintenant. Ça va faire bientôt 60 ans que ça dure. libéré et pour nous libérer le combat on va le mener avec eux C'est nous les leen seetaan dara les moyens financiers psychologiques moraux tout ce que vous voulez on sera à eux et toute la jeunesse sénégalaise sera mobilisée pour mener le combat par rapport aux forces de l'ordre ah. nous avons leen wax laine ni bokk Sénégal

parce que demain Macky Sall dit ñu mu dañ fi et ñom ils répondront de leurs actes. Mm. sont les frères lañ ñi nga xamné ne ñu nekk ci armée bi. Mm-hmm. ñi nekk ci police bi ñu nekk ci gendarmerie nos frères. Mm-hmm. ce ne sont pas nos ennemis. Mm-hmm. sauf que nous lu wax on n'arrête pas la la la mer avec ses bras. nous jeunesse bi dañuy mobiliser wu pour que Macky Sall lu muy def on n'est pas violent. Mais sauf qu'aujourd'hui, on, on est dos au mur. Et il faut qu'on réponde. Donc, il faut que ça soit clair. Donc, Nimo Andal, encore une fois, avec les Andal, qu'ils sachent raison garder et dire à Macky stop, il faut que les autorités religieuses disent à Macky stop. Il est temps qu'on mette un terme à des tentatives de, de, de, des tentatives de corruption, pour d'intimidation, tout ce que vous voulez, pour que médias arrêtent. Parce qu'à un moment donné, le Sénégal, bon février d'Ofayou bon qui fait de doo do lekk doo tu vois on nous a dit même il y a, deux jours là vous voyez l'histoire de l'infirmière là pour un manque d'oxygène et tout ça et, les, et comme si on était et pendant ce temps-là il y a des gens qui font fort d'une cabalisme extraordinaire on parle de milliards Nous jël sous les xaalis non seulement di ko par pareil ak famille wax du dara et puis derrière qui se permettent de nous de nous prenons nous fait, nous nous prenons et on se mobilise et on n'arrêtera pas parce que nous, may wax que les gens soient prêts ce combat là ça va être un combat de longue durée un combat vraiment de longue durée on vient de commencer et tant que nous arrêtons nous, on n'arrêtera pas voilà merci beaucoup merci les gars mas... Il est une que cette mobilisation Il y a besoin une mobilisé aussi en France pour améliorer la démocratie sénégalaise. Depuis le président Abdoulaye Wade en opposition, depuis l'arrestation de M. Karim Wade, candidat du Parti démocratique sénégalais, depuis l'arrestation donc M. Khalifa sale Les Sénégalais se sont toujours mobilisés pour arrêter cette tyrannie, cette dictature qui rampait, qui s'est soulevée et qui aujourd'hui marche. Cette dictature marche vers qui est Ousmane Sonko, le président du parti PASTEF Il faut comprendre que toute stratégie de Macky obéit à une logique unique. Et la logique, c'est le troisième mandat. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec Ousmane Sonko, M. Karim Wade l'a vécu face au régime. M. Khalifa Ababakar l'a vécu face au régime. À l'époque, peu de gens manifestaient. On se disait que peut-être ça concernait Karim Wade. Après, c'était retour de Khalifa Ababakar Certains ont toujours dit que bon, ça va s'arrêter avec Khalifa Makassal. Kassal. Eh bien, ça continue. Aujourd'hui, il s'agit du président Ousmane Sonko qui s'est pas au salon du massage, Michel le Macky Nous sommes mobilisés aujourd'hui, tous ensemble, pour finir avec cette façon de faire de Makissal qui consiste à réduire tous les Sénégalais et les Sénégalaises

nga joxe sa impression ci manifestation bi nga wax lu la ñu gisee tam ci wàcc bi. nga dégg foog foog ci mbas bi. li may wax nit ñi mooy bu ñu xoolee cinquante ans ci ginnaaw amoon nañu ci ay gerte gi jëm ak yooyu. fàttali ko ba mën a jàpp pour liggéey ba libéré ko témoignage boobu léegi mu def ko dafa merawul sa ngoon

cinq prochaines années, il encore 50 ans. voilà merci beaucoup. en attendant que nos invités arrivent. que le coordinateur de prendre la parole. Je voulais Merci Tamsir, merci léegi ñu ngi ak Mandiaye Mandiaye Diallo moy nekkone ancien coordinateur adjoint bu Pasteur France Mandiaye wax sa impression ci manifestation bi ak li war a ñu ñëw fii ñu lay déglu bismillah c'est le c'est vrai c'est vrai Masha'Allah, allah cest du Nous Macky Sall lu mu bëgg réduire à sa plus simple expression la la excusez-moi réduire à sa plus simple expression euh, le le le euh, tout le tous les tous les partis qui sont à l'opposition sénégalaise donc réduire à sa plus simple expression boobu lolu le Sénégalais yi tey baye mais pour mu ko c'est-à-dire que complot bu ko complot boo xamante c'est extrêmement grave ndaxte ay problème mu meurtre la les tey pour nous réduire benn adversaire moom est vraiment mis au bout du bout te le moment def au bout du bout je peux même dire de la sauvagerie moom moo tax tey ñëpp a war a ne non non comme ko gars yi di wax léegi jamais on va accepter loolu moom jamais on va accepter cela xam naa dina si jàpp ak jërëjëf Mandiaye jërëjëf Mandiaye merci beaucoup. Amadou Sabali. yaa ngi en direct page Pastef France. ñu ngi laaj sa manifestation bi ak li waral ñu nekk fii tey loo ci mën a wax. présenté wul d'abord. waaw Hamadou Sabali euh, coordonnateur euh, coordonnateur Pasteur Paris. di nga dégg ba boo defee masque ah ma gën masque ok donc euh, coordonnateur Pastef Paris bon ça m'a impression moi. comment dire mooy vraiment nii ñëw nañu ak xër waaw ah, nit ñaa ngi ñëw fii moom samedi il fait excessivement froid mais euh, voilà nous nous sommes nous indi au Sénégal D'après, euh, Sénégal nous sommes ko mënuñu ko nous quoi mënuñu ko mu nous fa nous fa am nous euh, def nañ ko Mamadou Dia def nañ ko Cheikh Anta Diop def nañ ko Khalifa def nañ ko Karim c'est autour de Sonko à un moment donné le peuple doit se lever stop parce que loolu mënta continuer euh,

sénégal naaɓe parce que ko sénégal noddi wona parti politique noddi ko sénégal noddi démocratie noon ko ko jam démocratie démocratie ko jam si jam noddi tan ko ma yimɓe fof gimmo gimmo pour euh, pour daroo euh,

Il est temps maintenant de chanter toute cette génération Donc, à un moment donné, ma peuple est le peuple du Sabali, TV. Aywa, bismillah. Jegi jaarama. On va compris l'enjeu. léegi ñu ngi leen di en direct jot na TV yéen a gis ne Paris tey sénégalais yi dëkk Paris génn nañu malgré dëkk bi ni mu seddee ñu ngi fii nii pour wax no ak li nga xamante gouvernement Macky Sall bëgg leader Pastef ak ci kaw sénégalais yëpp loolu moom kenn du ko nangu kenn kon ñu alors. ah yaa ngi filmé. léegi ñu ngi ak euh, Grand Séga Gueye en direct de Jotna TV Grand Séga loo mën a wax ci manifestation tey bi ak li nga xamal li moo tax ñun ñu ñëw nekk fii tey di manifester ci France ci sedd bu métti bi.

du parti Pastef moom mooy ñëw indigné wu du gën dañuy indigné wu pour Ousmane Sonko mais pour injustice bi nga xam ni moom am Macky Sall mënul nekk ci pouvoir te waru bu bëri nag bëgg nag ñàkk ne am du am opposition loolu c'est impossible en plus de ça assemblée bi nga xam ne ni moom lañ gis xam nañ ne dañ ko benn machination la bu ñu déclenché pour faire tomber un adversaire ce insupportable donc loolu Sénégal bu ci nekk war na génne

kon mbokk Sénégal yi kon yéen a ko gis eh, ñun ñu ngi en direct nii di la place Trocadéro en France euh, gis ngeen ne sénégalais tey génn nañu ngir manifester ngir wane ne d'accord ñu ak li nga xamante ni moom la régime Macky Sall bëgg a teg ci kaw sénégalais yi. fi mu nekk nii nag malgré sedd bi xam nañ ni français moom sedd xaw na sedd waaye gars yi génn nañu li ko waral nag mooy bëgg sa réew bëgg réew bi am coppite bëgg justice am ci Sénégal ndax dëkk bi ni

Natürlich. Isale ay c'est sax ça ñun dañu am fayda dañu am fayda ñun dañu respecté sunu Sénégal. kenn ku soo seete yëngatu naa. sunu soo seete yëngatu naa. ñun dañu am fayda dañu am fayda dañu respecté sunu Sénégal. d'accord. Maki doy na. Maki doy na. kii doy na demal xajal Diouf. kii doy na. kii doy na. Macky Sall bu demal Sénégal te aduna bokku naa la te tuuti naa def sa morom naa Macky doy na. Macky doy na. Macky Sall bu génne Sénégal Macky doy na. Macky doy na. waxtaanee suñu daal di ñu suñu waxtaanee. y a la présence des Sénégalais ici à Paris. Partagez, que vous bi man de ñi nga xamante ne tey ñëpp ay responsables des chefs d'entreprise des des des entrepreneurs ah des chefs de service bàyyi service yëpp ñëw tey fii ci bi nga xamante ni moo am Sénégal rawatina dal ci kaw ki nga xamante ni moo ko zamzam la ku mu neexul doo fi reetaan Ousmane mi zamzam la ku mu neexul doo fi reetaan Ousmane mi zamzam la ku mu neexul doo fi reetaan Ousmane mi zamzam la ku mu neexul doo fi reetaan Ousmane mi zamzam la ko mën a dee ci xam toogee ba léegi gis nañu Sénégal justice à deux vitesses moo xam ne Sénégal am na ay dossiers yoo xam ne Sénégal dictature Sénégal dictature dooguma a léegi en fait yow boo gisee ci li nga xamante ne moo nekk bu ne complot mais complot boo xamante ni tey kenn nangul waat les commanditaires léegi yow nag ban ban kàddu nga am ci loolu ba rawatina nga xamante ne nii soxna si nga xamante ne tey dictateur Sénégal, dictateur Sénégal, dictateur Sénégal, dictature Sénégal, dictateur Sénégal, dictature Sénégal, dictateur Sénégal, dictateur Sénégal,

ñëwee ndax xëy na xamuñu woon ne góor accusation fausse accusation yooyu muy def proportion bu toll nii mais tey am na ñoo xam ñoo ko ci nappe tey ko seen biir kër mais lépp dina fay ndax gëlee mënta maag ci moom la ak looy wax tamit aussi ñi nga xamante ne soutien bi nga xamante ne président Ousmane Sonko am na ko nit ñi di ko ñeneen ñi di ko critiquer naan lu tax ñu koy ñu koy soutenir wala boog lu tax ñu ñu dem di ay këram di ko seeti wala demee noonu parce que gis nañ tey ay ay des gens responsables ñoo xamante ne tey seen dëkk kenn mënatu ko naatable ñoo dem di déplacé wu dem kër président Ousmane Sonko apporté ko apporté ko li nga mooy seen soutien

Euh, en tout cas, merci Zika lui. Euh, euh, franchement, c'était très pertinent. Merci Patriot. Merci beaucoup. How many get? get. I am getting it. I I'm the to go you get it. Then Thank you. Hã? Vai, vai, vai. lu wax rek wax xeer tey na sunu xeer lebe sunu ter bàyyil ñu fi ay der tànn ma nga l'hôpital ñàkk plateau médical wàllu fa télé la fal sama bu xatal gën a ngu sunu toit ñu ay am pas payer sa diplôme ay milliards

Sénégalais debout, c'est l'histoire

vraies conséquences. Ce n'est pas une menace, mais l'incamouillon est p o l e Là, c'est e Sénégal, le s é n é a l le g a o n comme p r é e n t e u r comme président, Donc, c'est pas ce match qui Nous avons aussi donné notre force pour g a b n o u r nous p u v o i r pour nous faire voter à elle. On s'est battu pour m a c k e c le pouvoir. Donc, a eu d s gens q u ont été en train de se f a i r Nous avons a un p e de t e m p o u s avons f a peu de t e Nous Pastef dañoo taxaw pour que ni li am ये उठेंगे एक जगह नहीं बोल नहीं चली गाड़ी le, le, derrière, le petit devant.

patriote yi di fi ñëw maa ngi suuf ci terrain di ànd ak ay nit di joxe lekk. ah léegi ñu ngi ak Rassidou Baldé Rassidou mooy coordonnateur Pastef 91 Essonne donc Rassidou la laaj par rapport euh, ngeen xool ci bopp ngeen xeex pour société ñu xool li Macky Sall bu gannaaw seen intérêt lañ fi nekkal président à fii fii ak tey mais dañ koy bañ tey ba ko suba bañ ko gannaaw suba tant que bu kii la rek ñu tëjee ko kuréel comme ni mu waree dañ ko wis ñu ko ñu ko waree dañ ko wis détermination la ñu ànd moom bu mal moom bu reculer bu rek ñu reculer chaque jour lay ñu ko teg ci kaw terrain bi ànd ceeg discipline ànd ceeg discipline bu mu mën ba mbéy koo ñëpp

on va appeler Cosme. Tu es Cosme Si tout le monde est pris, hein. Les gens, ils arrivent, hein. Les gens, ils arrivent. Hein. est à côté, c'est les barbes, ça résonne. Euh, ok. Donc, ce qu'on va faire, bah, on, va, on va continuer. Bonjour tout le monde. Et ah, merci déjà euh, cette audience euh, du fait d'avoir été présent et de manifester exactement ce que nous manifestons depuis le début jusqu'ici. Je voulais juste euh, dire une chose. Le combat qui nous unit aujourd'hui n'est pas le combat de Pasteur. Je pense que mes prédécesseurs l'ont déjà dit. Ce qui est important à savoir aujourd'hui, c'est de considérer tout simplement que nous sommes dans une situation difficile. Et ce ne sera pas la première ni la dernière. On est sûr D'ici 24, on aura 26 autres. Et ce qu'il faut tenir, ce que nous devons retenir, nous, nous devons à chaque moment de notre vie considérer que tout le monde nous retrouver ici, dans les places de Paris, dans les places de, France, on va dire, pour le compte de Pasteur, pour le compte de tous les militants désireux euh, de revoir le Sénégal euh, euh dans la, démocratie de manière pure. large. J'aimerais tout pour ne pas monopoliser. Que, nous sache que nous sommes prêts aujourd'hui et demain à soutenir Ousmane Sonko, peu importe qu'on appartient à Passep ou pas, de manière à ce que

Salam alaikum. Gagne. Le Sénégal allait déjà mal, mais aujourd'hui l'heure est encore plus grave. Aujourd'hui, on est au énième complot de Macky Sall. À chaque fois, on se pose la question à est-ce que tu vas assurer Ah, Karim, peut-être ça. Ah, peut-être parce que les Italiens, on me lâche. Comme nous, ils on soutient, on soutient ce qu'on parce que la priorité est dans notre cœur tey mënatuñu wax boo waxee Nous ne da ngay utiliser ay fausses nouvelles mënatuñu wax boo waxee ñu ne diffamation nos libertés sont interdites on a plus le droit d'opinion il y a les complots il y a la tentative de liquider les leaders de l'opposition Gagner le combat du troisième mandat a commencé il ne faut pas être naïf merci Tamsir merci Tamsir léegi ñu ngi ak Mandiaye Diallo Mandiaye Diallo booy nekkoon ancien coordonnateur adjoint bu Pastef France Mandiaye wax sa impression ci manifestation bi ak war a ñu ñëw fii tey Mandiaye ñu ngi lay

c'est Macky et son système. Ne vous laissez pas distraire. Il va falloir euh, être présent sur le terrain tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a Covid du pas. Je vous remercie. loolu la Sénégal yi mais bu ko defee c'est-à-dire que complot bu complot boo xamante ni c'est extrêmement grave ndaxte ay problème mu meurtre la génnee tey pour mun réduire benn adversaire moom mooy vraiment nii kooku li ñu te lu mu mën a def pour mu gën la subaajee moom moo tax tey ñëpp a war a tey mais kon non non comme ko gars yi di ko

Amadou Sabali yaa ngi en direct page Pastef France di nga laaj sa impression ci manifestation bi ak li waral ñu nekk ci tey loo ci mën a wax présenté wul d'abord. di nga dégg ba ko defee masque bi. ah ma gën a masque bi ok donc euh, coordonnateur Pastef euh, Paris euh, bon sama impression mooy. comment dire mooy vraiment nii ñëw nañu ak xër ah, nit ñaa ngi ñëw fii moom ñoo ko gisandoo il fait excessivement froid mais euh, voilà nit loolu yëpp lu leen indi mooy mooy xeex pour démocratie Sénégal.

Macky Sall it Sonko président Sonko may taalibeem. nangu nañ la ko. suñu société yëngatu naa suñu société yëngatu naa ñu dañu am fayda dañu am fayda dañu respecté suñu Sénégal te àdduna kooku ndaar la te ku fi naan jox sa morom naa ñu Macky bay na Macky man bàyyi suñu Sénégal suñu société yëngatu naa suñu société yëngatu na ñun dañu am fayda dañu am fayda dañu respecté suñu Sénégal suñu société yëngatu na suñu société yëngatu na ñun dañu am fayda dañu am fayda dañu respecté suñu Sénégal te àdduna boobu naan la te ku si naan jox sa morom naan Macky doy na Macky doy na Macky doy na bàyyi suñu Sénégal te aduna ko tundal te kusina tax sama ram na Macky doy na Macky doy na Macky doy na demal bàyyi ñu Ousmane Ousmane moo leen dara gis yëpp yëpp yëpp yëpp solution bi biir koom-koom boobu doo ko métti. loolu de la loolu de la la kii de. xam nga lan doo ko gën a métti. loolu de la la kii. mooy nemmeeku duur bi. voilà nemmeeku duur boobu. moo ko métti. voilà te kii nañ ko wax dara. gis nga nemmeeku duur boobu day nekkaat day naat nemmeeku nemmeeku nemmeeku ak tuur. gën a xam nag dëgg dëgg ba nga dee daanal nag. te patriote yi bari nañ tey. génneewaat seen xaalis. defaat loo xam ne lu ëpp nemmeeku duur boobu. parce que l'homme m'interpelle. ministre de l'intérieur j'interpelle j'interpelle j'interpelle les traites les de la casemance. les traits de la Casamance de ne seront jamais dans l'histoire du Sénégal ils ne seront jamais dans l'histoire du Sénégal. Les Benoît les Robert Sane, M. Casemas, les Ablaï Bandé, les, tous ces maires qui sont là-bas, ils sont comme dans le Keïta. Tous ces traits, et tous ces traits, l'histoire retiendra que c'est des traits de la Casamance et c'est des traits du Sénégal. Et l'histoire, ils ne vont jamais rentrer dans l'histoire du Sénégal. Et ça, il faudrait que ça dans la tête. Le, euh, son corps, c'est un Sénégalais, est train du Sénégal. corps, il est pas du Sénégal seulement. Sénégal. Ils savent très bien que son corps, il est pour toute l'Afrique. Ils le savent très bien. C'est pour, cause pour laquelle, cause pour laquelle, son il est là pour toute l'Afrique. Oui. il faut, le, il faut le savoir. Donc nous sommes corps, nous sommes corps, nous sommes là. Patrimoine national. Patrimoine national. National. lii taalibam d'abord bala ko egg ci moom on est prêt On est prêt. Famille Zamzam. Oui. Famille Zamzam. Pour nous évoluer. Famille Zamzam. Pour nous évoluer. Ousmane Zamzam. Pour nous évoluer. Famille Zamzam. Pour nous évoluer. Ousmane Zamzam. Pour nous évoluer. Famille Zamzam. Pour nous évoluer. Famille Zamzam. Pour nous évoluer.

Euh, si vous pouvez vous permettre euh, quelques secondes, si vous voulez. Je vais essayer quelque chose, je ne sais pas si ça va marcher. Euh, si... Je ne m'attendais pas à prendre la parole Mais quand même, ça va plutôt démarrer. Voilà. <laughs> directeur hein. Bon. Écoutez, euh, je voudrais faire euh, quelque chose, mais grave. Mais nous nous préparer, nous préparer, Exactement, c'est ça. On est en direct. C'est-à-dire, ah. euh, Macky 2011, candidat aux élections présidentielles. Alors, par défaut, madame, et a raconté beaucoup de choses, a menti aux Sénégalais jusqu'à ce qu'il a accédé au pouvoir. Et ce matin qu'on avait piqué lorsque il pleurait dans les rues de Dakar parce qu'il il croyait qu'Abdaïwad allait le mettre en prison. Il avait obtenu le soutien de tous les Sénégalais. Alors, on pensait que Macky Sall qui est né après les indépendances, ce Macky Sall allait consolider les acquis démocratiques de notre pays, que ses prédécesseurs ont fait ce qu'ils peuvent, mais malheureusement, ce Macky Sall est en train de nous faire retourner dans un monde comme pour appeler le désert démocratique. Et ça, on ne peut pas accepter. Alors, aujourd'hui, ce qui se passe, chers amis, chers compatriotes, sachez que ce montage de mensonges est en train de s'écrouler, de s'effondrer comme un château de cartes. Ça, faisons face à autre chose. Ils vont mettre en place une autre politique parce que il y a toujours une possibilité pour barrer la route à Ousmane Sonko. Mais vous savez, ce n'est pas la personne d'Ousmane Sonko qui compte aujourd'hui. Mais si nous tous, nous sommes là, à commencer moi-même personnellement, si j'ai accepté de soutenir sa candidature, c'est parce que j'ai vu en lui un homme intègre. Parce que depuis plus de 12 ans, un inspecteur des impôts et domaines au Sénégal, en Afrique, aujourd'hui, qui en opposant numéro 1 de Macky Sall, s'il avait dilapidé nos ressources, sachez qu'aujourd'hui, il est en prison. Donc, ce Ousmane Sonko, 12 ans inspecteur des impôts et domaines, a vraiment été un fonctionnaire. Exactement. Donc voilà, camarades, aujourd'hui, ça, c'est une première étape, je vous dis. Nous connaissons tous la France. Nous savons les endroits où on peut cibler pour tenir l'image de ce monsieur qui est déjà une personne qui nous intéresse même pas aujourd'hui parce qu'il est au crépuscule de son pouvoir mais une première étape pouvoir organiser prochainement une grande marche pour tous les Sénégalais qui sont en France. Et cette marche-là, je vous assure, on peut la réussir et on peut la faire dans la symbiose afin que Macky Sall puisse vraiment quitter le palais dans de bonnes conditions s'il le souhaite. Mais s'il ne veut pas quitter le palais dans de bonnes conditions, il le quittera par la force. Nous, on va passer la parole à Albouri pour le nouvel Nous disons non, président Macky Sall, il est là dans nos de nous disons non, Nous disons non, président Macky Sall, il est temps de sauver le Sénégal. Assalamu alaikum.

nga jóge nañ ci Karim Wade ñëw ci Khalifa Sall jóge ci Khalifa Sall ñëw ci euh, Ousmane Sonko bu ñu jógee ci Ousmane Sonko ci ñun ñii ñëpp ci nekk la ñu dem parce que actuellement Sénégal depuis des années li fa am mu ne otage dictatorial état policier nga am Sénégal opposant yi danañ di agent yi dinañ rek na moom daa waroon taamu ne lii pour man Macky Sall Parce que Ousmane Sonko, il a un grand mérite Ousmane Sonko. Parce que dafa yee patriotisme bi nekkoon ci xolu sénégalais yi di nelaw ak ci xelu sénégalais yi ak ci xelu jeunesse bi patriotisme y a Ousmane Sonko yee moo ko indil problème yii mu jànkonteel dëkk nii parce que bu il di profiter système bi di yoon alalam pour quel dit, je pense que ce combat-là, c'est au-delà de direct. C'est un combat contre l'injustice. C'est un combat pour l'état de droit. C'est un combat pour la démocratie. Parce que la démocratie, moi, ñun ñëpp beaucoup nous nous beaucoup de nous beaucoup de nous beaucoup de nous beaucoup de de culture Et gis nga man fa euh, lay ma c'est pour tout simplement appeler aussi les autres leaders de l'opposition les autres sénégalais affaire bi n'importe affaire de parparloo n'importe affaire de tarixa n'importe affaire u diine nekkul affaire u ethnie affaire u sénégalais yëpp la affaire u Afrique yëpp la te combat bi pour man pour euh, Macky Sall mu ngi soog a yàq client boo xamante ni du xam fan la ko yàqalee quoi. du xam fan la lu mu laaj lu mu def dëgg la jàmm moo ñu gënal ci réew mi ñun ñëpp jàmm ñuy ñaan Sénégal ak Afrique ndax jàmm ci la lépp xaj. wante Sénégal nekkul réewu ragal Sénégal ay jàmbaar ñoo fi ay jàmbaari jigéen ak ay jàmbaari góor te xeex nañ ko xeex ba mu jeex tàkk en tout cas amul dellu ginnaaw. amul seral comme on dit et puis nañu dem ba jeex quoi incha allah rabbi merci beaucoup merci beaucoup. donc on va donner la parole aussi à Abdoulaye Gueye qui représente. Euh, de valeur. Abdoulaye Gueye. les patriotes qui sont là. maa ngi leen di nuyu ce nekk avec sa tur ak sa Abdoulaye Gueye je représente les étudiants dans un parti politique qui est autre que Pasteur. On est là parce que l'heure est grave. On est là parce que notre démocratie est menacée. On est là parce qu'on est des citoyens tout d'abord. On est là parce que c'est notre patrie de New York. Macky Sall, nous nous n'avons pas de minutes de combat. Nous, madame Macky Sall, c'est le présidents africains. Nous sommes pas de minutes de combat. Il est temps, il est bien temps que le peuple, que les peuples puissent se marionnettes. On a vu ce qui s'est passé au niveau de la Guinée-Conakry. On a vu ce qui s'est passé au Côte d'Ivoire. Et voilà ce qui est en train de se ramper au Sénégal. Tout est similaire. Donc il est temps. Il est temps que nous nous disions une responsabilité. On n'a pas, pas signé un contrat comme quoi que Macky Sall moo ñu moom Macky Sall dañ ko dénk réew mi amul kenn mais Macky Sall bu ñu yem bu ñu fottoo dañu naan Sénégal c'est un pays démocratique et c'est faux lui-même il a démenti Macky Sall daf ko wane discours 31 décembre 2020 Macky Sall toog na pare ñu laaj ko ci xam ñu yi

du Soko, parce que Soko est un projet. Soko transcende la personne de Ousmane Soko. Soko, c'est un avenir. Actuellement, on ne le laisse pas passer. On ne le laisserait jamais passer. on ne va jamais céder. Et il est temps, comme l'a dit un vaillant guerrier de l'Afrique, Thomas Sakra. quand l'espoir ne vient pas devant, il, il s'agit maintenant de venir pour trouver cela. Et l'esclave qui ne lutte pas pour sa liberté

s'est battue. On a été beaucoup de en 62. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts à Des milliers de morts, enfin, des milliers de manifestations et des morts également. La génération Santo, je vous exhorte à ne pas laisser cette manipulation continuer. Jamais, jamais, sera jamais les élections présidentielles. Tout le monde l'a vu et tout le monde le sait. Ce fichier électoral, ce fichier électoral ah, est réellement dangereux pour la survie de la démocratie au Sénégal. L'arrestation de son cause est un danger pour la survie de la démocratie au Sénégal après plusieurs arrestations d'opposants politiques, Karim Wad, Khalifa et tant d'autres, et les intimidations, les suivis, etc., je pense que la démocratie sénégalaise est assez mûre pour dire non à ce dictateurs. N'acceptez pas, vous, la génération Sonko, que l'on mette Sonko aux arrêts. Soyez debout comme un seul homme. Donc on appelle toutes les forces vives du Sénégal dans une union dans une union sacrée. Cela veut dire qu'on laisse nos partis, on laisse nos syndicats, on laisse nos positions pour dire que l'union fait la force. Vous êtes prêts pour ça Donc nous devons avancer. Nous devons avancer comme ça, contre le troisième mandat. Parce que notre bataille, à tous, doit être la bataille contre le troisième mandat. Est-ce que vous êtes prêts oui donc maintenant, l'union sacrée, c'est sur tous les continents où les Sénégalais sont présents. Nous devons faire de telle sorte que nos vidéos soient partout suivies dans le monde par des millions de Sénégalais. Et les Sénégalais aussi, citoyens du Sénégal, qui sont là-bas, qu'on puisse les transmettre ces images et dire que nous en avons assez de ce dictateur et le troisième mandat, nous ne donnerons pas ce troisième mandat. Vive le Sénégal, vive la démocratie et vive tous les patriotes qui sont tombés pour la cause du Sénégal. Je pense à Omar Claude aujourd'hui étudiant, tombé. Je pense à Al-Hussein Sissé, tombé. Et à tous ces militants sénégalais qui sont morts pour le Sénégal. Soyons fiers de notre pays. Et disons, battons-nous pour que cette démocratie survive. Ah Nous devons relever des défis historiques après le Covid-19. Parce que le Covid-19 d'aujourd'hui, on a vu la Covid-19 comment elle a tué ce pays-là. Le pays est, disons, complètement baloté. Avec 1000 milliards de Macky a reçu, il a bâti aucun hôpital d'envergure, ce qui est un scandale. Ah, Et mieux, on a vu comment les inondations, comment les inondations euh, ils ont utilisé l'argent des inondations, on ne sait pas comment, mais les peuples restent toujours sous l'eau. a demandé, L'argent que c'est a demandé, l'argent que Boubacar c'est a demandé, sur les comptes de l'argent de l'Europe, que l'Europe a donné 200 milliards au Sénégal, c'est a demandé où est passé cet argent, ils l'ont mis en prison. Donc nous sommes dans un pays de dictature maintenant. Soyez prêts à combattre cette infamie. Je vous, vous jure que si vous êtes solidaires, si vous êtes unis ensemble, l'union fait la force. Un peuple uni est un peuple invincible. Madame, madame, madame, madame,

di remercier ñëpp de cette présence comme ni ko de prédécesseur yi On combat ce pas le combat de pasteur. ni combat PDS ni combat PDS. Aujourd'hui, on est vraiment content de voir que tous les Sénégalais ils sont épris de justice ñoo taxaw pour dire stop aux dérives de Macky et ça, c'est hyper important. Il faudra surtout penser que le combat est un combat où justice là. Parce que qui nous conseille que le combat Ramon justice, Ramon droit, Ramon droit Et il faut que le combat se mette dans la rue. D'abord, là, c'est un message à Macky Sall. Moi, je suis un peu plus carré, je suis un peu plus carré, je suis un peu plus carré, parce que nous, on est, on est morts, certes, mais nous, on est morts, on est morts, on est morts, pour que nous nous libéré leen on le fera incha certains combattent le mal à Macky Sall gouvernement. Mais gouvernement. bi ci pour moi, je crois que c'est un wax les gars ça fait Ni nga ils sont là à combattre pour la démocratie. Ça fait une année où est là à parler de discours. En mode, il faut qu'on arrête de parler. Voilà. Il faut qu'on arrête de Exactement. parler. Exactement. Agir. Le discours. La révolution Le problème, c'est qu'on a affaire à des sourds, muets, aveugles. Exactement. ils ne pas, c'est les sans foi ni loi. Exactement. Donc, il faut que l'on combat se mène dans la rue. Dans la rue. Quoi que ça puisse nous coûter, il faut qu'on la mène jusqu'au bout. Le troisième message. C'est ça, c'est ça. On est, dans un pays particulier. On va ramener dafa am une autorités religieuses militaires civiles. je profite pour lancer un message pour solennel Nous ne pouvons pas aller dire pour di nga plutôt di il faut que ces gens là que chacun prenne ses responsabilités parce que à un moment boo nous ne nous mettre nekk dos au mur et nous reculer que vous nous nous il faut absolument que demain que les gens viennent pas nous dire que ouais les femmes au Sénégal, prennent le combat, les trucs comme ça. Il faut que ça cesse. Exactement. Le combat que il s'est mobilisé, on va continuer à se mobiliser. Comme le combat, on va au-delà de la personne mouvement on se mobilisera jusqu'à ce que les droits, il y a le monde sénégalais, que ça puisse être respecté. Nous, nous demandons qu'à à partir de maintenant nous nous benn à avoir des xam et il faut qu'on le combatte et la jeunesse sénégalaise au-delà de nos partis politiques on combattra jusqu'au bout et moi, je vais aussi ñu naan dañu le Sénégal sur le yi. combat bi duñu joué nous bi nous Nous ñun dinañ pour leur apporter notre soutien moral financier et tout ce qu'ils veulent. Nous, nous laa lancer comme message aujourd'hui di wax une mobilisation Il faut door commencer dafay door a commencé rouge. on se mettra dans la rue le combat d'une ko Vous faites des gens de dañu war la guerre du pour que Sall puisse accéder à son troisième mandat C'est le seul moyen aujourd'hui qui vaille pour qu'il puisse réussir son son son son son complot tout ce qu'il nga xam ne moom parce qu'on ne peut plus on pays peut pas ramener. il n'arrive pas à nourrir sa population nous chaque population nous accompagner sa population ce régime là mérite d'être combattu Nous, régime mérite d'être combattu et nous nous combattre vous savez que nous on mènera le combat jusqu'au bout je vous remercie. merci.

moo tax duñ ko ko may dara duñ ko may dara Touba duñ ko may dara euh, Tivaouane duñ ko may dara Ndiassane duñ ko may dara parce que ñun Serigne Touba dañ koy jël di ko mooy Mamadou Dia aussi mooy Cheikh Anta Diop. mooy Cheikh Anta Diop Ousmane mooy Cheikh Anta Diop Ousmane mooy euh, euh, nu mu tuddee Aliou Blondé Diop Ousmane mooy mooy Sénégal Ousmane Ousmane rek a nekk keneen néew fa ku ñu leen wax ni dafa fa nekk rek dañ leen di naan Ousmane moo fa nekk tey moo fa nekk ëllëg te Macky Sall duñ ko may dara duñ ko may dara bu dalee dalee ñu dem ci ci palais bi génn ko fa dañ ko def parce que député yi dañu dañu dañu xalaat seen bopp xam nañu fi ñu dëkk ñoom ñëpp ñun a gore fukki junni yoon waaw mu jógee fa ودون بخاتن بوبم وخمن بوبم ام نيو خن دوكو ديف نيو كو باخ موتا غور دا فا باخ سون تريت غور دا فا باخ عثمان دا فا غور عثمان موي غور عثمان موي غور سي غو عثمان غور كار ميم عثمان ميم نمي واخ ني كار ميم عثمان عثمان نيو نون غور كوم نيون دي فار سي سينيغالي موتا مون لي عثمان تاي دي بو سيرين توبا عثمان موي مام الحاج مالك عثمان موي مام ليبام موي باي نيس Ousmane ne nek keneen ñu leen may dara ñu leen may ñaari deux barki Serigne Bamba ñu may dara ñi diplomatique fi di def ay discours ça ne nous intéresse pas. bu fi dañ ko na Bonsoir les Sénégalais. Je m'appelle Famara Diop du de démocratique sénégalais. J'ai été accordé la parole par l'aval de notre coordinateur Maïssa Touré, ici présent. Mes chers frères, chers Sénégalais, chers citoyens du monde, on est là aujourd'hui pour combattre l'injustice défendre la démocratie, les libertés individuelles et collectives. Macky Sall, c'est un régime dictatorial. Nous sommes là également pour défendre le président Sonko, qui a été victime par un complot du régime dictatorial, totalitaire, du régime de Macky Sall. Mes chers frères régalés, je vous exemple je demande à tous les Sénégalais épris de paix et de justice de bandir leurs artères en mettant leurs biceps à l'heure afin de pouvoir s'investir dans le fond de l'action. Parce que nous avons, comme nous avons bien écouté les deux parties, comme le dit Montaigne. Écoute, l'écoute est associée au goût d'apprendre et la volonté de savoir. Nous avons bien écouté la partie de Soko et de, de c'est un complot fabriqué de toutes pièces. Essayons de maintenir ce combat parce que Macky Sall est dans sa logique de réduire l'opposition dans sa plus simple expression. Ça ne passera pas. ça ne passera pas. Essayons de continuer de maintenir ce combat jusqu'à l'extinction du soleil. Vive le Sénégal et merci les compatriotes sénégalais. ma ma xool photo yi ma xool photo yi. On va donner la parole ah, à monsieur Thioye, donc qui est le représentant donc euh, et des papillons. Ne quittez pas. Salaamaaleykum wa rahmatullah. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu. jërëjëf c'est bon. jàpp naa ne. kenn ku ne ci ñun balaa muy jógee këram di ñëw xam na li ko fi indi kon c'est pas la peine bu leen di rappeler ne lii ku ne ci ñun devoir la ci moom mu war koo defal boppam waaye mu war koo defal ay sëtën mbokk yi y'a 15 jours dama leen waxoon ne ñi fekke woon manifestation waxoon naa ne nettali woon naa ñetti nag ya

ma bëgg a wax sénégalais yi mooy man waxuma ak les patriotes la may wax ak ñoom wax naa ko ak ñoom ca biir waaye damay wax ak toutes les sénégalais Pape Alé Niang daf ñu wax ba tàyyi ne ku artu da nga àtte l'heure est arrive kon ñun dañ ne ñu ku artuwul da nga àtte ñuy seetaan tey li doon raam nekk na ci biir ñag bi ba am fi kër suñ ko bàyyee mu génn nag dana ñu yàq yàq li ñu am duñ ko laal beneen bi dama bëgg a wax ne ñun ñëpp nañu yor jikkoy soccet lu tax soccet bañ na ko dangay jëlu dafa jatu fanaanal te ki ñu amal affaire mbëtt la te mbëtt bu mattee du baax ma ne ki nu amal affaire mbëtt la te su mattee du baax. wala ongu ongu ongu ongu. fi may jeexale mbokk yi seetaan dëmb ak bërki dëmb ñaari affaire yu ma tiitloo ma bëgg a tiire attention sénégalais ñu bàyyi xel. bu njëkk bi dafa am ay procès verbaux yu ñu liiral ñu bari ci sénégalais yi daal di gën a ah, na daal di bàyyi ndiku du loolu. démb yéen ñëpp a seetaan li xew Sénégal ci guddi mooy lenn ci presse ma ñëpp presse complice boo xam ne li ñu bëgg moo toppe Sénégal wax leen ne kenn jaru ko fii duñ xeex pour Ousmane Sonko dama ne xeex pour le Sénégal dañuy xeex pour la démocratie dañuy xeex pour suñuy ressources ñu jëriñoo ko ñun. jëriñu pour Ousmane Sonko L'œuvre Macky Sall, Macky Sall est trop petit pour nous. Oui. Sénégal mon union. Sénégal moo nu Nous kon nañ taxaw pour un seul pays. pas de parti pas de religion pas l'ENEM, sinon le Sénégal Que nous ko Salam xaaj. wa rahmatullah. On ah doo nous bureau ne. ne ah. contre l'honneur de Ousmane Sonko parce ne plan grand léegi nag duñ may waaji dara dara xati xamul xamul bureau xamul lii waaye ci gis naa leen dafa def ak moom ba mu saf loolu romb la ay bureau ay waxtaan ay négociation loolu jeex na rey na Karim rey na Khalifa moo ko dese bu leen mu jàll nag ñu topp suñ citoyenneté c'est remis en cause du jàll du jàll léegi lu may ñaan nag waa Pastef yëpp mooy ñoom ñëpp képp ku nga xam ne nii am na benn anecdote bu rafet ci Ousmane Sonko nga toog na wax ko parce que ñu bëgg a yàq deram xam nañ yenn journaliste yi yenn pseudo journaliste yi di waxee ci plateau télé yi waaw moom nag utiliser wul image pour di yàqaay di ñaan wala muy yalwaan wala yooyu nañ laage honneur Ousmane Sonko avant ñu perdre face ak Macky Sall buñ ko may dara wasalaam. Salaamaaleykum chers patriotes. Engagement. je parle au nom de la jeunesse, c'est-à-dire au nom de la jeunesse patriotique du Sénégal. Parce que c'est l'avenir de la jeunesse qui est en train d'être hypothéqué par des vieux qui n'ont aucun scrupule. C'est l'avenir de la jeunesse qui est en jeu. Et c'est la raison pour laquelle moi j'appelle toute la jeunesse du Sénégal à se mobiliser sur le terrain parce que nous le savons que le collecte ne marche pas en Afrique, au Sénégal en particulier. Macky nous a appelés dans le terrain du politiquement incorrect. Exactement. Est-ce que vous connaissez un seul opposant en Afrique qui a été sauvé par les lois Ça n'existe pas. Les lois, les textes, nous servent absolument à rien à tout. Elles n'ont jamais stoppé un opposant. Elles lois sont faites pour emprisonner des opposants. Et Macky a une obsession. C'est celle du troisième mandat. C'est la raison pour laquelle il ne ah. reculera devant mon objectif. Nous aussi, nous avons un objectif. Nous avons un projet à défendre. Et nous trouverons jamais. chemin projet à défendre, c'est le projet d'un Sénégal meilleur, d'un Sénégal juste, d'un Sénégal prospère, d'un Sénégal boo Khamni, ni de baadoo du fa siiba di et on n'acceptera pas. on n'acceptera pas que Ousmane Sonko soit sacrifié. Ousmane Sonko représente l'espoir d'une jeunesse trahie, l'espoir d'une jeunesse trahie.

N'écoutez personne là-bas. Et là, on était là également puis et dit le ça, dit, nous Ousmane Sonko et Moro Dessé, ils Nous allons éternellement la dictature au Sénégal. Nous allons mettre tous les moyens tout moi Parce que la violence, pourquoi il faut le Elle la la Un discours va c'est comme ça. Fini la discours Vous savez c'est Vous savez Vous savez voilà l'exemple Un exemple est là. combat historique. Le combat que nous menons transcende l'homme Ousmane Sonko. C'est notre démocratie qui est, plus que menacée avec un glissement vers le parti unique. Je pense pas qu'on peut, euh, je pense pas un pays avec un parti unique s'appelle une démocratie. Et je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Oui Ouais. Ouais. un régime totalitaire. Je n'accepte pas le fait que le Sénégal devienne un régime totalitaire. Il y a 50 ans, on s'est battus pour devenir une nation, pour devenir libre. Et qui veut de nous couper notre peuple. Millions de ceux qui sont morts pour cette liberté. Pas qui savent nous la coller aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne se passera pas. Personne ne doit l'accepter. Non. Nous sommes le nous sommes les derniers remparts de notre démocratie. Nous devons résister. La menace est grave et imminente. C'est maintenant ou jamais. Nous devons nous battre pour notre pays. Nous allons, nous allons droit au but, vers toute perte de liberté, avec un gouvernement sombre et tortueux. Le gouvernement de Nous devons le faire tomber aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Patrick. Donnez-nous un instant, on va changer de micro. On va changer de micro. Donnez-nous un instant pour changer de micro. Nous disons non il, est temps maintenant de chasser toute cette génération de dictateurs que la France a choisi pour vous, pour ses propres intérêts. Ça suffit maintenant. Ça va faire bientôt 60 ans que ça dure.

liman Götmen yıkanlı sunuyor 60 ans de dépendance Senegal, Senegal, Sénégal Sénégal Sénégal Tous les traîtres du Sénégal, on va les faire quitter du Sénégal. Tous les corrompus.

Nous avons alerté. Tout à l'heure, j'ai alerté les, autorités religieuses et les autorités militaires. J'ai une décision illégale. Ils ne sont pas tenus de le respecter. Il faut nous ramener les gens qui sont nos frères qui sont emprisonnés. Nous les torturés, nous les magasins. Il faut que les policiers et les gens les ramener, qui sont partis de nous. Et que demain, nous avons une décision illégale qui va appliquer. Ils seront tenus de répondre parce qu'ils sont les seuls responsables de ce qui se passe. Je ne

par rapport aux forces de l'ordre nga wax len Sénégal waaye it xëy des choses parce que yow kilifa nga suñu kilifa lan nga leen décision normale décision illégale que tu puisses être euh, euh, du régime wala nga que militaire et tout ça ils sont pas tenus de l'appliquer Non, pour mu leer parce que demain Macky Sall ak fait mm. et ils répondront de leurs actes sont ay frères là, ñi nga xam ne dañu ci armée police gendarmerie c'est nos frères ce ne sont pas nos ennemis sauf que nous, on n'arrête pas la la la mer avec ses bras Nous, jeunesse nous dañuy mobiliser wu pour que Macky nous arrête. muy def on n'est pas violent mais sauf que on est aujourd'hui on est dos au mur et il faut qu'on réponde du ñu donc il faut que ça soit clair donc ñi moi, Andal, am fois les gendarmes qu'ils sachent raison garder et dire à Macky stop il faut que les autorités religieuses disent à le stop. Il est temps qu'on mette un terme à des tentatives de, de, de, de musulmans, des tentatives de corruption, d'intimidation, tout ce que vous voulez, pour que les arrêtez. Parce qu'à un moment donné, le Sénégal, bon feebaree Fayou, le Sénégal bon xiifee fait doo doo lekk doo de tu vois on nous a dit même il y a, il y a deux jours là vous voyez l'histoire de l'infirmière là pour un manque d'oxygène et tout ça. Et comme si on était... Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui font preuve d'une cabésine extraordinaire. On parle de milliards. Nous, de sous le non seulement di qu'on baax pareil famille voire du dara et puis derrière qui se permettent de de nous parole avec vous c'est nous si tu es là. nous si tu es là. Les mobilisation pour améliorer la démocratie sénégalaise. Depuis le président Abdoulaye Wade dans l'opposition, depuis l'arrestation de M. Karim Wade, candidat du Parti démocratique sénégalais, depuis l'arrestation de Sall. Les Sénégalais se sont toujours mobilisés pour arrêter cette tyrannie, cette dictature qui rampait, qui s'est soulevée et qui aujourd'hui marche. Cette dictature marche le président du parti PASTEF. Il faut comprendre que toute stratégie de Macky Sall obéit à une logique unique. Et la logique, c'est le troisième mandat. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec Ousmane face au régime, à l'époque, peu de gens manifestaient. On se disait que peut-être ça concernait Karim Wade. Après, c'était retour de Khalifa Ababakar Certains ont toujours dit bon, ça va s'arrêter avec Khalifa Ababakar Eh bien, ça continue. Aujourd'hui, il s'agit du président Ousmane Sonko qui s'invite pas au salon du Massal, mais chez le coiffeur Nous sommes mobilisés aujourd'hui tous ensemble pour finir avec cette façon de faire de Macky Sall qui consiste à réduire tous les Sénégalais et les Sénégalaises en des spectateurs par rapport à ce projet. Il ne va pas terminer son mandat. Ça, je vous le dis l'ensemble des Sénégalais C'est bon, hein, c'est bon Dans le Sénégal aujourd'hui, je lance un appel à la communauté internationale, je lance un appel au